s'il n'y a pas un État qui met en place une bonne école publique pour permettre que ces, talents soient dénichés, mais c'est le pays qui perd, je ne parle même pas des familles. C'est pour ça que notre grosse ambition, c'est de réhabiliter l'école publique. L'autre importance de la réhabilitation de l'école publique, c'est que l'école publique était le pont entre la société des nantis et la société de ceux qui ne sont pas nantis. Par l'école publique, des personnes qui étaient issues de familles pauvres avait une chance de se réaliser et de passer de l'autre côté et de tirer leur famille, d'être un élément d'émulation, parce que dans leur quartier pauvre, les gens vont dire, il a réussi. C'est tout, c'est ça qui est capital dans l'école publique. Et l'école publique doit être le creuset dans lequel on, on façonne le citoyen sénégalais. Les valeurs républicaines la voie la plus habilitée pour passer les valeurs républicaines, c'est l'école publique. S'il n'y a pas d'école publique, par où on va passer les valeurs républicaines Donc c'est pour ça qu'il est capital pour nous, c'est fondamental qu'on ait une école publique réhabilitée, qui retourne à sa place. C'est pour ça que nous, nous, mettons un accent, un accent extrêmement important sur cette école publique. Nous n'avons pas les réponses là maintenant. Nous exprimons une vision une volonté politique forte Maintenant, d'un point de vue euh, euh, euh, concret, il appartiendra. En tout cas, si nous sommes, et les Sénégalais nous font confiance, ce sera un axe prioritaire, la réhabilitation de l'école publique. Les gens vont nous dire, oui, mais on dépasse déjà 40%. Mais ce n'est pas une réponse. Parce que la question, la dépense, le taux de la dépense n'est pas une fin en soi. C'est quel résultat Le résultat aujourd'hui, il est là, sous nos yeux. Donc ça veut dire qu'on a mal dépensé. Donc les ressources sont peut-être suffisants, mais ils sont mal dépensés. Nous allons nous atteler, nous, si les Sénégalais nous font confiance, à bien dépenser pour que l'école publique nous trouve sa place. Je vais vous dire une chose, je ne parle même pas que de l'école publique, je parle de la corruption en général. Pour nous, corruption, c'est tolérance zéro. Nous allons éradiquer la corruption dans ce pays si les Sénégalais nous font confiance. Je vous dis quelque chose de très fort. Et vous pouvez me croire parce que nous avons, nous, créé ici le Forum civil section sénégalaise de transparence internationale pour lutter contre la corruption. Pour nous, la corruption, c'est tolérance zéro. Aucun des gouvernements qui sont passés, aucun gouvernement n'a véritablement lutté contre la corruption. J'irai même plus loin, ils n'y croient pas. Parce que le système actuellement est fondé sur la corruption. La corruption politique, la corruption économique. Je vais vous donner un exemple. Que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, quand vous allez dans l'administration ou vos parents, quelle est la question rituelle ah Aujourd'hui, pour accéder à vos droits dans l'administration, soit on vous pistonne, ou vous payez. C'est inacceptable. On ne peut pas de ce pays sans éradiquer la corruption. Et pour nous, c'est un engagement capital. Je le dis très clairement, nous, c'est corruption, tolérance zéro. Et le pendant de ça, c'est le culte du mérite. Ça veut dire que quand les citoyens sénégalais pourront accéder à leurs droits devant une administration républicaine, je le disais dans une interview hier, notre administration n'est pas une administration totalement au service des citoyens et une administration républicaine. L'administration doit être au service des citoyens. Nous allons travailler pour que l'administration soit au service des citoyens et pour qu'on éradique non seulement la corruption, parce que ça, souvent, on parle de corruption, une ignore une autre dimension, c'est la concussion. Parce que la concussion, c'est un fonctionnaire, la corruption, c'est lorsqu'un usager vient, propose de l'argent pour accéder à un service. La concussion, c'est lorsque le fonctionnaire vous fait comprendre que si vous ne payez pas, vous n'accédez pas au service. Et vous oblige à payer. Ça, nous, er-, nous allons éradiquer aussi la concussion. Et je dis quelque chose de très clair. Si les citoyens nous font confiance, ça c'est tolérance zéro. À tous les niveaux. Il y a des biens matériels et des biens immatériels. Dans le cas des chemins de fer, nous avons un capital immatériel extraordinaire, parce que c'est une culture de chemin de fer, c'est une tradition de chemin de fer. Donc à partir de là, on peut tout construire. Vous savez, le matériel, ce n'est rien. C'est des équipements, c'est de l'expertise. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la base, c'est la culture, c'est ce patrimoine immatériel qui gît ici à Thiès. C'est sur ça qu'il est possible de construire. Quand vous avez ça, le reste, c'est facile. Parce que qu'est-ce qui reste c'est de l'expertise, on l'achète. C'est du matériel, mais on l'achète. Donc ce n'est pas, c'est absolument pas insurmontable. Nous sommes extrêmement optimistes. Et vous savez pourquoi nous avons cette volonté C'est parce que nous pensons que le rail est un levier important de développement. Il ne s'agit pas seulement de réhabiliter le rail pour donner du travail à quelques cheminots à Thiès. Nous avons plus d'ambition que ça. Le rail participe aussi à l'aménagement du territoire. Le rail participe au développement. Donc c'est pour ça que pour nous, c'est tout à fait possible. NSTS, je ne parle pas de NSTS spécifiquement. C'est la réhabilitation du tissu industriel de notre pays, la construction de chaînes de valeur. Je vous le dis aussi, peut-être que vous êtes trop jeune pour le savoir. Est-ce que vous savez que le Sénégal avait des industries qui transformaient le coton produit au Sénégal Est-ce que vous savez que le Sénégal exportait des habits aux États-Unis à partir de Dakar. Mais tout ce, système ça a été cassé avec la politique de restructuration imposée par le bailleur de fonds. Nous avons l'ambition de réhabiliter l'industrie nationale en faisant valoir la transformation de nos produits locaux. C'est quand même pas extraordinaire. Je produis localement. Pourquoi mon produit brut, je l'exporte pour que les gens le, le transforment et me le revendent On achète du jus de mangue qui vient d'Arabie Saoudite. Vous vous rendez compte Des pays qui ne savent même pas, qui n'ont jamais vu un, manguier. Et c'est eux qui nous vendent du jus de mangue. Quand on vous dit que, dans la région du Gachor, c'est 10% de la production qui est utilisée. Il n'y a pas une industrie de transformation de fruits et, légumes à Gachor, qui est notre, notre grenier naturel. C'est sur choses basique. Donc il est possible de, de reconstruire le tissu industriel, de créer des chaînes de valeur, d'arrêter d'exporter nos produits bruts, de les transformer. L'intérêt de la transformation, c'est que ça crée de la valeur ajoutée, ça crée des emplois. Il y a un problème d'emploi dans le pays. Ça crée une économie locale. Encore une fois, il faut une économie locale. On ne peut pas avoir toutes nos industries à Dakar. Ou encore, on nous dit maintenant à Partout au Sénégal où il y a des communautés, il est possible de construire une économie locale. Nous avons un formidable dynamisme incarné par les femmes. Elles sont partout dans des, dans des, dans des, dans des comment ils s'appellent encore Des groupements féminins. On a rencontré partout sur le territoire national. C'est un levier extraordinaire de dynamisme qui peut permettre de construire une économie locale de transformation. Donc voilà, voilà pourquoi nous sommes extrêmement optimistes. Je vais même très loin. Nous avons la prétention de construire le miracle sénégalais. Je vais vous surprendre. D'ailleurs, vous dites, il est fou. Non, je ne suis pas fou nous allons construire le miracle sénégalais. Parce que nous avons le potentiel dans ce pays. Nous avons les ressources humaines. Nous avons le potentiel. Il manque la volonté politique. Et nous avons cette volonté politique. Il manque l'éthique politique. Et nous avons cette éthique. Il manque l'intégrité. Il manque le culte du travail et du mérite. Au Sénégal, il y a un potentiel formidable. Mais qu'est-ce qui se passe Si vous voulez vous faire promouvoir, vous allez prendre la carte du parti. On ne favorise pas le mérite nous, nous allons développer le culte du mérite, à commencer par l'administration. Parce que quand on va généraliser, si les Sénégalais nous font confiance, la règle du recrutement sur la base des, appels à candidature, seuls les méritants occuperont les postes de responsabilité. On ne, vous, on ne vous évaluera pas en fonction de vos résultats politiques comme ça se fait actuellement. Je ne vais rien vous apprendre. Il y a un monsieur qui est à la tête du coude, qui a été épinglé par plusieurs rapports. Il est encore à sa place parce que c'est le militant du président de la République. Avec nous, si les Sénégalais nous font confiance, ça se sera terminé. Ce sont les Sénégalais méritants qui occuperont les postes de responsabilité. J'assume mes responsabilités. Avant que le chef de l'État n'invite à cette concertation, j'avais appelé, j'avais plaidé pour un consensus sur le, sur, le pétrole et le gaz. Le président appelle à une concertation, c'est de manière tout à fait logique que j'ai répondu à cette invitation parce que je suis un adepte du consensus. Il y a des questions d'intérêt national sur lesquelles on doit construire un consensus national. C'est pour ça que j'ai répondu et j'assume mes responsabilités. D'autres n'ont pas répondu, mais chacun assume ses responsabilités, je n'ai pas à les juger. Maintenant, sur la question du product, Sénégal, c'est surprenant. On se réveille, on fait comme si c'est nouveau. Mais les questions de mal-gouvernance, mais on les voit partout. Ce n'est qu'une manifestation de plus des questions de mal-gouvernance. Mais Qu'est-ce qui va régler le problème Ce n'est pas changer Jean par Paul. C'est un système qu'il faut changer. Tant qu'on ne changera pas le système, des products vont se reproduire. Nous, préconisons un changement de système. Nous préconisons une nouvelle république, justement, pour dépasser ces situations. C'est à cause des les politiques que ces situations comme ça sont possibles. Donc nous n'allons pas perdre notre temps à prendre cas par cas, parce que nous pensons que c'est une question de système. C'est pour ça que nous invitons les Sénégalais à ne pas se focaliser sur des cas par cas. Depuis 1960, c'est à chaque fois une répétition. Pendant les 12 ans du régime de Ouad, c'était la même chose. On espérait qu'avec le régime de Macky Sall, ça s'arrêterait, ça continue. Donc nous devons être convaincus que donc, ce n'est pas une question de personne, c'est une question de système. Changeons de système. Confions ce pays à des citoyens qui sont imbus du culte de l'intérêt général. C'est ça la solution. C'est pas euh, faire des débats sur le product X ou Y. Nous, on a dépassé ce stade. Vous savez, le problème de la sécurité, si vous regardez notre vision, c'est avec une bonne place. Parce que nous estimons qu'il y a des besoins incompressibles. Il y a, il y a une, une, une, comment dirais-je encore, euh, un État qui n'est pas capable de satisfaire ces besoins incompressibles que je vais citer n'est pas digne de son rôle. C'est la santé, l'éducation, la sécurité et l'accès à l'emploi. C'est dans, dans, notre vision. Pour vous dire que c'est une question qui nous préoccupe au plus haut point. Maintenant, je ne veux pas être simpliste. Je parle en face des spécialistes de sécurité. Euh, par, coïncidence, ils sont présents parmi nous, nos, nos concitoyens et les policiers radiés. C'est des questions complexes. On ne peut pas là, autour d'une table, dire nous, on a la solution. Non. Il faut une volonté politique forte il faut consacrer des ressources appropriées à la question de la sécurité. Mais il faut tenir compte d'une dimension qui est aussi capitale, parce que l'insécurité est produite par une situation sociale aussi. Il y a la dimension de prévention, parce que dans une question comme ça, il y a la dimension de prévention et la dimension de répression. Dans la dimension de prévention, il y a la dimension éducation. L'éducation n'est pas le seul fait, n'est pas la seule responsabilité de l'État. Ça pose la question de l'éducation dans les familles. Parce qu'à l'époque, quand papa était parti le matin travailler, maman est restée à la maison s'occuper des enfants. Aujourd'hui, papa et maman vont travailler par nécessité. Les enfants sont dans une situation où ils sont peur pour eux à beaucoup d'influences. Avant, c'était des influences directes. Maintenant, c'est une influence plus pernicieuse, plus vicieuse. Votre enfant est face à la télévision sur un bouquet. Quand vous rentrez à la maison, vous ne savez même pas ce qu'il a dans la tête. Les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est les dimensions qui comptent qu'il faut prendre en compte. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le système éducatif, on a pris en compte cette dimension Est-ce que les parents, en rentrant à la maison, essaient de discuter avec leurs enfants pour voir est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées dans la tête de l'enfant Je ne les critique pas parce que c'est une situations difficiles. Quelquefois, on rentre à la maison, on a beaucoup de soucis. Madame est fatiguée, monsieur est fatigué. Bon, on, on fait le nécessaire pour reprendre le travail le lendemain. Donc, il y a la dimension prévention qui est liée à l'éducation dans les familles. L'éducation à l'école, c'est une autre dimension qui, compte. La question aussi de la pauvreté. Parce que quand les gens sont dans cette situation sociale, c'est aussi une dimension. Donc il faut prendre en charge l'ensemble de ces dimensions. Et la question, effectivement, la répression. Il faut donner aux forces de répression les outils appropriés pour prendre en charge correctement cette dimension. Allez dans les commissariats de police. Et c'est une honte. C'est indigne d'un État. Parce que c'est la police qui incarne l'autorité de l'État en, aménageant les commissariats de police dans de bonnes conditions, quand le citoyen entre, il a du respect pour l'institution de sécurité. Vous donnez des outils. Quand vous allez à une police qui vous dit Je veux bien, mais je n'ai pas de véhicule, non, pas d'essence. Ça veut dire que l'État ne prend pas cette question au sérieux. Donc, pour donner une réponse à ça, c'est une, une démarche multidimensionnelle qu'il faut mettre en œuvre. C'est pour ça que je suis incapable, là où je suis assis, de vous dire J'ai la solution. Mais nous avons la volonté forte de prendre en charge cette question. C'est pour ça que ça ressort clairement de notre vision. Je vais vous donner juste un exemple pour, vous, que vous compreniez. Bon, voilà. Vous avez vous-même répondu en réalité. Vous dites qu'il y, a il y a la croissance. Le ministre des Finances, chaque fois, nous dit on a 7%. Donc l'économie va très bien. Et vous-même, vous, nous tous, nous constatons la pauvreté. Il y a un problème. On constate qu'il y a un paradoxe. Parce que l'État nous dit tout va bien du point de vue économique. Il faut faire la part de choses, ce qu'on appelle les agrégats macroéconomiques taux de croissance, taux d'inflation, euh, déficit budgétaire, euh, et puis il y a une un autre euh, agrégat. Ça, c'est une chose, c'est ce qui intéresse les bailleurs de fonds. Dans le bureau à Washington, ils ont besoin de ça pour voir est-ce que le pays va bien, mais en fonction de leurs propres critères. La question qui se pose, c'est que l'économie, les agrégats, le bon résultat en termes d'agrégats macroéconomiques ne constitue pas une fin en soi. Pour nous, l'économie, c'est comment vivent les Sénégalais. La finalité de l'économie, c'est de satisfaire des besoins. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas de la théorie. Et manifestement, notre économie ne le fait pas. Et vous savez qu'est-ce qui le consacre je vais terminer par ça pour vous donner une, dimension claire. Vous avez le, taux de croissance qui intéresse beaucoup les institutions de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale, etc. Il y a une autre institution des Nations Unies qui s'appelle le PNUD, qui calcule l'indice de développement humain. L'indice développement humain est un indice composite qui prend en charge l'éducation, la santé, le niveau de vie. Quand vous prenez le taux de croissance, le taux de croissance monte jusqu'à 7%. Vous prenez l'indice de développement humain concernant le Sénégal, il descend. Est-ce que vous voyez Donc, et le plus de l'a fait pour montrer qu'effectivement, croissance ne veut pas dire développement. Et en plus, quand on parle d'un taux de croissance, il faut analyser le taux de croissance. Affinez votre analyse. Ça veut dire quoi Quelle est la, composition de la croissance Ici, notre croissance est essentiellement produite par des entreprises étrangères. Donc, quand le produit arrive, les actionnaires majoritaires reçoivent les dividendes, la majorité des dividendes. Ils renvoient ça chez eux. Donc, la croissance ne reste pas ici. Donc, ne vous fiez pas à ces chiffres. Regardez, vous êtes journaliste, ce qui compte, c'est qu'est-ce que vivent au quotidien les citoyens sénégalais. Tout le monde est d'accord, c'est la pauvreté. Donc, la conclusion, c'est que, croissance ne veut pas dire développement. Je je partage évidemment pas votre conclusion. Parce que si vous dites que vous jouez le jeu du système, moi, je, ne, je ne suis pas dans le système. Vous n'allez pas réduire le système à une question d'enjeux électoraux. Le processus électoral est une dimension importante. Il y a deux manières de se battre. Une manière démocratique, c'est de faire le plaidoyer c'est de se positionner comme nous l'avons fait, nous, quand ils ont proposé le référendum, en créant une coalition pour le non, en faisant campagne pour le non, c'est de se battre sur le terrain sur ces questions-là. La dernière fois sur le parrainage, on était dans la rue quand Macky a verrouillé la capitale pour empêcher les manifestations. C'est ça la démocratie. Sinon, qu'est-ce que vous voulez On ne va pas entrer en guérilla. On ne va pas entraîner la violence. Au-delà de ça, il n'y a que la violence. Et nous ne sommes pas des, On ne veut pas promouvoir la violence. Nous nous battons avec les moyens légaux, les moyens que la loi donne. C'est ce que nous avons fait jusqu'ici. Nous ne cautionnons pas le système. Absolument pas. Nous ne jouons pas le système. Si je voulais... Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que je fais là Moi, je ne suis pas un politicien de métier, moi, je suis avocat. J'ai mon métier. Si je décide de m'engager, c'est parce que justement, je ne veux pas trop contre ce système. Et c'est parce que je veux battre contre système que nous étions aussi membres fondateurs du M23, avec ceux qui sont dans le système aujourd'hui. C'est ceux qui étaient avec nous, qui se battaient pour tes principes, qui ont trahi ces principes aujourd'hui. Donc c'est à, à, eux qu'il faut s'adresser, pas à nous. Nous, nous sommes fidèles aux principes. Le 23 juin vient de passer. L'esprit a été trahi. Parce que ceux qui sont dans le système aujourd'hui étaient à côté de nous au 23 juin. Mais qu'est-ce que vous voulez quand des gens qui prennent des engagements et une fois au pouvoir trahissent l'esprit de ces engagements c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de leur faire face politiquement, en étant candidat. Donc voilà, mais nous ne jouons certainement pas le jeu du système. Vous avez parlé d'une question fondamentale sur l'éducation. La formation est capitale. Et si vous faites le benchmarking, il y a des exemples très illustratifs. Par exemple, en Suisse, ils, réussissent de manière fantastique. Nous pensons qu'effectivement, vous savez, en 2007, une fois j'étais à l'université, vous savez ce que j'ai dit aux étudiants Je leur ai dit, vous n'êtes pas dans une université. Vous êtes dans une garderie d'adultes. On vous met juste là pour que vous n'embêtiez pas les gens. Mais tout le monde sait que ça ne marche pas. On produit des gens, on leur donne des diplômes en sachant pertinemment qu'ils n'auront pas, pas d'emploi de, de, avec Et tout le monde n'est pas fait pour faire des études universitaires. Il y a des gens qui ont un savoir-faire technique. Pourquoi les mettre à l'université pour qu'ils aient un diplôme de euh, master en lettres, master en ceci Créons des filières, créons des, des passerelles. Ou à partir de la troisième, les gens puissent aller faire euh, une formation professionnelle qualifiante, mais calibrée en fonction des besoins, c'est-à-dire la personne se retrouve en emploi, et même créer des passerelles permettant à un jeune qui a quitté l'école, qui a quitté l'école, euh, euh, la formation générale en troisième ou au bac, qui a appris un métier, de revenir encore à l'école pour progresser, devenir par exemple ingénieur, comme ça existe dans d'autres pays. Donc nous sommes totalement convaincus du fait qu'il faut effectivement euh, euh, mieux formés. Parce que ce que je disais tout à l'heure, à chaque fois on dit on met 40%. Mais le résultat c'est qu'on dépense mal. Parce que le produit qui sort ne, répond pas aux besoins du marché. nous, ñu bi Sénégal que nous présenter élection présidentielle nous avons ne woon balaa li wax programme Sénégalais parce que nit ki qui nga fait damay faj ci nga dégg

ci Sénégal yëpp pour déglu Sénégalais yi pour mën a taxawal programme boo xam ne dafay sukkandiku seen ñoom li ñu dund. bi ñëwee cees nag xalaa waxtaan yi ñu ci waxtaan lu bari la waaye li ci gën a génn mooy waxtaan yi xam ne bu ñu demee ci ci ci benn euh, gox dañu seet lan moo fa problème ba fa gën a tar. Euh, bi ñu demee Ndar par exemple dañu gis ñaari problème yi fa taroon muy benn bu jëkk bi moo doon problème mu euh, kër yi nga xam ne géej gi da koy nangu beneen problème bi ñu fa gis mooy problème mu ndongo yi taalibe yi ak xale yi bàyyi si mbedd mi. lolou bañ ko gisé dañu delluwaat foofu organiser fa atelier jël ay expert ñu waxtané bi ñëw fi Thiès problème yu tar yi ñu fi wax bu jëkke bi moy problème wu ray bi chemin de fer bi manam sahar kooku problème bu am solo la parce que Thiès ku bu ñëw sahar rek xalaat Thiès kon ku ñëw Thiès loolu moom mënu ko bañ waxtané surtout ko problème boobu daf fi yag ba léegi kenn mënu ko fajj kenn mënu ko euh, régler motax tax ñu déglu syndicat suñu waxtaan sax ñom amna na beneen problème bu ñu déglu moy problème policier radio yi tamit problème boobu li muy li muy li si liñ si jàng rek mooy li ñu gis feneen mooy mbirum ndóol mi nekk ci réew mi parce que ñoom seen problème dafa nekk seen problème en tant que professeur la yéen nekk problème bu retraité retraité yi bu ñu waxee retraité wax problème mu ndóol parce que li ñuy leen di jox kenn munu si yor sa bopp te loolu dañ ko gis fépp si Sénégal mu doon ñu am si confirmation fii ñetteel problème bi ñuy waxtaan mooy problème mu industrie textile bi may leen loolu tamit confirmation la parce que du affaire yu Thiès rek Sénégal industrie yëpp ñoo nërmeel te ñun dañu gis ne loolu tamit lu mat a jël en charge li ñu jàpp ci jàpp ci waxtaan wi mooy comme Thiès euh, problème bi fi ràññee mu tar lool mooy mbirum raay bi dañu ne li ñu fi dellu si def fi li ñuy wax atelier maanaam boole ci benn waxtaan ñi nga xam ne seen xam-xam nañ ci xarañ lool mu ñuy tuddeen expert boole si tamit ñi nga xam ne ñu liggéey ci raay bi ak boole si tamit ñi xam ne dañu jariñoo raay bi parce que ñun dañu jàpp ne raay du affaire rek Euh, mooy syndicat yi si ñu koy waxee mooy nañ ñu dimbali affaire yu fonctionnement ñu jot suñu salaire ñun suñu ambition ëpp na loolu trop parce que yaakaar nañu raay bu ñu si ko mën na mën am jariñ lool ci Sénégal parce que walu ray li muy li muy laal dafa bëri dafay laal développement day laal aménagement du territoire parce que ñun ñëpp xam nañ ko am na fay dëkk yo xamné ne raayatoon tax ñu leen di dégg ba ray amul ba tey kenn déggatu leen loolu mooy am lu bëri lu bu yaq té tamit développement ñun dañ ko bëgg a ko ci ray Ray, am na problème mu euh, transport marchandise transport des des passagers accident yu bari ñu wax fi sax lu bari ñak ray bu baax moko indi parce que bo jëlee ay punkalum camion yu dul jeex wala ko ay oto yu tuuti nekk si bi euh fofu xat-xat yi mu fay indi dina dinañ indi ay affaire accident donc question sécurité bi même Ray bi am na si am na solo donc tamit loolu motax ñu ne dañuy def de atelier ñu avons mbirum raay bi fi ci Thiès té dañu wara affaire bu amna kuñ question sax ndagam est-ce que defaraat raay bi du jafé état amul lu jafé ci parce que li li Sénégal am te dëkk yu bari amuñu ko li culture manam lo xamné du loy sa loxo mais xam-xam la xalaat la ay habitude la té Sénégal amna à travers une ville comme Thiès lool ce ci li parce que expertise la ak ay matériel ak ak yeneen té lool yaakaar nañ ne du té yaakaar nañ raay ko réhabiliter ñun nuñ ko bu développement au Sénégal. waaw ñun jàpp nañ ci lépp sax mbirum système la parce que boo xoy jàng bi dañu naan 42 pour cent budget bi ñu ngi koy dugal ci jàng bi maanaam alors bu takku lañ ci def waaye dépense du finalité mooy lan la dépense ba jëriñ boo xoolee ñoom ne nañ dépense nañ lu bëri te boo xoolee gis école bu nërmeel bu yàq moo tax kon dépense ba nañ ko dépensé baaxul wala la ñu ne def nañ ko si defuñu ko ñaar yooyu rek mën a ñun nag suñu xalaat mooy dañu am itte trop trop trop réhabilité école publique parce que école publique dañ ko seetaan seetaan nañu école publique mu yàqu man mi di wax yeen école publique la jangé école bañ dan jangé doomu Senghor fofu la jangé doomu président la république moy wone nek école publique amone dayo bu reuy ci rew mi ma dañ ko baax ba nañ ko ba mu yàqu té nak ñun dañ japp né jang bu baax waru aaju ci wajur yi am nañu alal wala dañu am alal ko am alal yobu sa école privée bu la nexé nga def ko say say tué libre waye ko amul alal say say say say jabot état am na taxaway mo ra taxaw wax ñoñu am jang bu baax parce que yàlla moom buy def xa buy def buy def xam-xam si bopp nit seetul ndax ndegam kii way juróom dañu am alal war a ñu amul alal ñooñu ñu bàyyi bañ leen jox école bu baax ba ñu jàng peut être ay Einstein a ngi si ay savant ngi si biir te ñooñu waxuma sax ñu jàng jariñ seen famille mais dañu jàng seen xam-xam mën nañ ko développer ba mu jëriñu réew mi ñun ambition boobu la ñu am te école publique moom moo daan permettre koo xam ne yàlla mayul way juróom ay kattan bu rëy mu duggee école am jàng bu baax am lu mu réussir tekki

te li ma ci yokk mooy waxuma ne maam Adama Gueye ak ñu muy àndal ñoo koy changé maam Adama Gueye ak ak ñu mu ak man ak yow ak ñeneen ak ñeneen ñun dañu bëgg capacité population réewu état mënu ko defar moom kenn état mënul defar réew moom kenn ku la ne man bu ma ñëwee naa ko defar man suma bopp déedéet état dafay am vision ubbi yoon bi wane yoon bi mooy li ma doon wax sànq dañu créer une culture d'émulation de motivation et de mérite ba Sénégalais yëpp jóg taxaw le Sénégal boobu moo yóbbu réew mi kanam je ma il faut que nous développions une culture de passion pour notre pays Sénégal veut bëgg réunir. Nous ñu bokk nous Pour ñu bokk a les les drapeaux asiatiques Nous leen développé un nationalisme un patriotisme très fort C'est loolu le gouvernement di sukkandiku pour avancer le réunir. Mais mais le gouvernement ku la ko wax nag problème bi mooy kii ñëw ne la man un ko def waxul la parce que moom kenn mënu vois ci cas kaaraange problème bu compliqué la tay suma togué na la amna solution bi dama wax luma neex parce que bo jëlé karang dafa am ñaari wal nak lañu fexé ba lool du am lu yaq yà ba karangé bi duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko yaq moy li ñuy wax prévention lan lañu lañ lañu fagaro fagaro bi ak pat mi ci fagaro bi likoy réglé dafa am biru jang jang nak éducation sax du jang éducation moy yar yar dafa am wala wala ci bir kër gi la est-ce que ñu ngi yar xale yi nañ leen war a yare kooku question bi léegi ni mbir yi demee ah quelquefois kër yu bëri muy way jur bu góor bi way jur dañu xëy dem ku nekk wuti loo am pour indi ko ci kër gi diggante bi nag bu njëkk ba boo daan dem da ngaan bàjjan wala suma yaay wala sama maam xale baa ngi fi bàyyi naa la ko boo demee bàjjan di wax ci nopp bi maam di wax ci nopp bi waaye yow léegi boo demee télévision wax ci nopp bi ak ak ci bëti mu toog ci benn place di gis ci xew ci àdduna bi yëpp bu duggé ci réseaux sociaux gis ci doy war yi yow bo ñëw do xam sax la nak ci bir bop donc bir momu yar wo sa bir famille ba non seulement dafa soxé parce que nit ñi ñu temps ba amone euh badjan bex maam ba da nekk ci kër ga ñoo nekk ci kër ga parce que ñun ñi tabit nañu ci ñu bop bu jëk ba dañ daan dégg dëkk ñun ñëpp ensemble légui ku nekk da ngay de maman papa l'enfant et le chien ju ci kër gi ñu rek fa nekk donc lool tamit ci walla woowu dafa am lu soxé bu indi yar wa ca école ba est-ce que école bi xam nga wax nañu ko fi sànq école bi ni mu yàqoo ah yar ba tamit yar ba dafay soox donc yar société bi. ak valeur société bu yàqu bi parce que bu njëkk ba da ngaa génn kër gi am loo def lu jaaduwul góor gi dëgg ci wetu kër gi moo lay jàpp dóor la ba nga sot yu jàpp sa loxo delloo la si biir kër gi loolu amatul. voilà donc yooyu yëpp day indi day indi yàq yàq pré euh, léegi bu dee faj bi nag ñooñu force de sécurité ñoo ko yor tey boo demee biir police da rus. boo gisee état wu commissariat de police boo fa duggee rek xam ne ñi yor ñu juntuwaay yu defar top toppatoo suñu sécurité wala nga ñëw porter plainte ñu ne aw ma oto aw ma essence si oto bi donc yooyu tamit état moo ci war a taxaw di consacrer les les les moyens nécessaires fànn yooyu yëpp na ngay bolé pour mën a indi réponse ci affaire affaire kaaraange bu ñu wax ci biiru guerre bi guerre bi dafa yàq réew mi ñun nag wàllu woowu lu leer lañ ci bu ñu Sénégal yi wóola daal ger boobu moom nañ ko génne Sénégal parce que ger bi moo yàq réew mi ger yàq na réew mi ba kenn mënul jot ci dara te làmboo sa poos ger bi yàq na réew mi ba alal réew mi dañ koy yor ci poos yu marul nekk nga gis ñuy politique xëy nekk milliardaire te nit nit a ngi fi yor société ay at yaat te mënul am milliard Sénégal moo am dëkk boo xam ne ñii politique am ay milliards ñu ëpp ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci économie am milliard loolu la ñu bëgg mu deñ te loolu incha allah rubi xanaa bu Sénégal kooku amuñu ci benn tolérance waaw loolu moom dañ ko fii dindi daal di nag indi culture mérite maanaam nit ki la mu yelloo ñu jox ko ko lu mu yelloo doo ko jox ku jub di liggéey am li mu war a jot ku njublan de yaafus doo am li nga war a jot bu yoon war a dal sa kaw dal sa kaw loolu mooy teg dëkk bi si teg dëkk bi si dëkk ak yoon